forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio 18h passé de 15 minutes en Niamey. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du studio Kalangou qui est un espace d'échange et de débat dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés grâce à un réseau dynamique de radio partenaires qui émettent dans les huit chefs-lieux de région du Niger, ainsi que dans les localités d'Arlit, de Kirozirine, de Bouza, Tamaské, Mainesroa, Magaria, Mayaï, Berningaure, Dorbel, Sai, Tanout, Madawa, Dakoro, Doganduki, Walam, Tera, Kwarategi est dans le deuxième arrondissement de Niamey, soit un total de 29 radios partenaires qui diffusent en direct les programmes du studio Kalangou. Chers auditeurs, aujourd'hui, vendredi 4 août 2017, le forum est consacré au décryptage de l'actualité de la semaine marquée par la disparition vendredi dernier à Niamey du doyen de la presse nigérienne Hima Adamou Di Damadama. La déclaration lundi du FRDDR accusant le chef de l'État de haute trahison. La commémoration samedi du 26e anniversaire de la conférence nationale souveraine euh, qui, a vu, qui, a, qui, a vu, euh, qui avait permis l'instauration de la démocratie au Niger. La célébration hier jeudi du 57e anniversaire de l'indépendance du Niger Couplé à la fête dite de l'arbre. En sport et culture, la fin du, des huitièmes Jeux de la francophonie d'Abidjan avec la faible moisson des Nigériens. Il y a aussi la Coupe nationale du football et le championnat national Ligue 2 de cette discipline. Avec nous ce soir pour développer ces thèmes. Nous avons Jafar Maman, directeur de publication du journal indépendant en plus Jafar Maman. Bonsoir. Bonsoir. Nous attendons d'un moment à l'autre Abba Kari Arimi, journaliste à la radio alternative, et Rufai Dandoua, journaliste indépendant. La presse nigérienne en deuil depuis vendredi dernier suite à la disparition de Hima Adamoudi Damadama, celui qu'on appelle affectueusement Baba El Hajj ou doyen de la presse nigérienne s'en est, allé à l'âge de 84 ans. Samedi, ils étaient nombreux, parents, amis et connaissances à l'avoir accompagné à sa dernière demeure au cimetière musulman en Duyantala. Gafar Maman euh, euh, du, journal Indépendant Plus. Euh, pensez-vous qu'un autre Himadamadama pourrait surgir un autre jour dans la presse nigérienne Oui, c'est un espoir, on le souhaite, mais parmi peut-être ses inspirateurs, puisqu'il a, a inspiré beaucoup, aujourd'hui, il y a ceux qui, ont, qui sont dans une fourchette d'âge euh, plus ou moins euh, importante, mais qui constitue euh, qui constitue aussi une référence. Ça veut dire que on souhaite qu'il y ait une, une relève parmi ceux qui sont là, qu'ils puissent continuer à, inspirer les jeunes. Mais c'est une grande perte, c'est une grande perte, sa disparition. Je pense que les, témoignages ont été nombreux pour euh, apprécier, euh, pour euh, la plupart regretter sa disparition, mais pour apprécier son passé, ce qu'il a laissé. Et c'est ce que nous avons l'habitude de dire, qu'il constitue une passion, puisque le, journalisme pour euh, madame Madame paix à son était une, une, affaire de passion, même pas de métier. Euh, il s'est invité dans ses métiers par passion, il l'a nourri par passion, euh, il a inspiré beaucoup de journalistes euh, euh, par cette passion. Et en tout, c'est au-delà du, journaliste, c'est un homme de culture. C'est toute une histoire du journalisme et de l'histoire aussi du sociopolitique du Niger et culturelle aussi qui, qui, s'est éteinte. C'est pour dire que euh, aller inviter ce qu'on peut dire, c'est d'inviter les jeunes journalistes et même les hommes de culture à aller fouiller dans son passé, dans les archives, euh, dans les quelques archives qui existent et de, de voir ce qu'il a été, comment il est, il est arrivé à ce stade-là et ce qu'il a laissé d'inspirer, euh, de si important pour les, générations futures. Euh, on voit à travers lui, outre le journaliste euh, euh, passionné qu'il qu'il fut, un homme de culture. Vous savez qu'il a participé euh, à plusieurs euh, euh, pièces de théâtre pour apporter sa modeste contribution dans la dynamique sociale, dans, dans, la pédagogie d'éducation citoyenne à travers le théâtre. C'est dire que c'est une grande perte et nous souhaitons qu'il y ait, qu'il y ait ne serait-ce qu'à travers les organes dans lesquels il a travaillé, les organes étatiques, qu'il y ait une sorte euh, de, de, retour sur sa vie pour permettre aux Nigériens de, aux jeunes Nigériens de comprendre qui il était, qui, qu'est-ce qu'il a fait, sa contribution, comment on peut en, saisir l'opportunité. Je, je, me rappelle une de, ces, de leurs sorties euh, pendant, euh, alors qu'on a engagé tout juste au sortir de, la conférence nationale, quand euh, à l'époque le candidat Mohamed Ousmane accompagné de, de, de, euh, de chef Amadou était, était dans la région des Anders. les jeunes que nous étions, c'est pas les deux candidats qui nous intéressaient, nous. C'était Hima Dama, c'était euh, ces journalistes qui ont marqué jusque dans, dans, la sphère rurale du Niger de par leur euh, travail passionné et de par euh, leur culture. Alors, euh, nous, rappelons que notre euh, deuxième invité, euh, Arimi Abakari, vient de nous rejoindre dans ce studio. Abakari Arimi, bonsoir. bonsoir, Bonsoir, merci beaucoup. la presse nigérienne est en deuil depuis vendredi dernier avec la disparition de Hima Adamoudi Damadama, celui qu'on appelle affectueusement Baba El Haj ou doyen de la presse nigérienne qui s'en est allé à l'âge de 84 ans. Abakari Arimi de la radio alternative, quels souvenirs gardez-vous du feu Hima Adamou dit Damadama. Ben, merci beaucoup. Euh, l'ancien, vraiment, je l'ai euh, rencontré directement euh, dans un cadre professionnel, je dirais, seulement en 2007. J'ai réalisé un film sur les crises alimentaires et après tout le casting, c'était la personne qui répondait vraiment aux critères, au profil que je me suis euh, fixé. Euh, sa disponibilité était vraiment euh, extraordinaire parce que moi je l'ai contacté pour qu'il me donne rendez-vous. Il dit non, mais si tu veux, on le fait tout de suite. J'ai dit bon, euh, je suis pas prêt. Si vous voulez, tel jour. Il dit ok, vous venez à 9 heures je serai chez moi. Et donc, il m'a accueilli chez lui. À bâton rompu, c'était une longue interview d'au moins une heure de temps. je voulais ça pour un film de 26 minutes, mais ce qu'il disait était tellement intéressant. Et donc, quand j'ai appris sa mort, euh, je me suis tout de suite rappelé de ça, parce que c'était une mine d'informations, et au-delà vraiment d'un nombre de médias euh, comme on le dit en Afrique, il remplit, entièrement euh, ce qu'on dit des vieux. Quand un vieux meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle. Euh, je ne sais pas si nous, qui sommes les plus jeunes, avons pu avoir ou recueillir de lui l'essentiel de ce que nous devons avoir. je vous assure, sur les crises telles que écrit scientifiquement par euh, le professeur euh, euh Brema Alfagado, il est revenu en les appelant euh, par leur nom en Zarma et exactement aux dates, parce que moi j'ai une formation d'historien euh, c'est une discipline qui m'a beaucoup intéressé. Donc, j'ai déjà connaissance de ces dates-là. J'avais déjà fait une interview, avec le professeur Alpha Gado. Et lui, de mémoire, est intervenu sur toutes ces dates et les appellations telles que je les voulais. Donc, je garde en mémoire cela. Euh, sans compter donc euh, que c'est quelqu'un que nous avons connu tous enfants, je dirais, sur les chaînes euh, de, de, de, la télévision sur la télévision nationale. Après, nous avons eu l'occasion, à l'occasion des, des, des, ateliers, des rencontres de la presse nigérienne, euh, quand il était au CSC, tout ça, de le côtoyer. Vraiment, euh, c'est une perte énorme, mais malheureusement, c'est aussi quelque chose que nous sommes tenus d'accepter. De Dieu, nous venons, à lui, nous retournons. Euh, voilà, le moment a sonné, on ne peut plus rien. J'espère que euh, ça va encore nous rappeler euh, ce, problème des Nigériens qui est de reconnaître à tout un chacun ses valeurs que quand ils venaient à disparaître. accorder euh, réaliser, je dirais par exemple, un film sur ces personnes. Ils sont nombreux encore qui restent, que nous côtoyons. Il faut qu'on ait l'idée que d'un moment à l'autre, chacun peut s'en aller. Et quand il y a un Nigérien euh, qui a quelque chose de plus que les autres, d'essayer d'immortaliser avec les moyens actuels, notamment en écrivant certainement, mais aussi en filmant, en essayant en tout cas d'immortaliser l'image de ces personnes-là. Euh, j'espère qu'il y a beaucoup de choses sur lui et que nous serons le moment venu exploiter toutes nos condoléances à sa famille proche et à toute la famille de la presse nigérienne. Je rappelle que euh, Dandoua, journaliste indépendant, vient de nous euh, rejoindre dans ce studio. Rufai, bonsoir. Bonsoir, euh, nous disons que la presse nigérienne est en deuil depuis vendredi dernier suite à la disparition de Hima Adamu, Di Damadama. Euh, Rufai Dandoua, vous qui êtes journaliste indépendant, pour vous, qui était feu Hima Adamu, Di Damadama? Oui, et comme le disait Arimi, comme le dit l'adage, en Afrique, euh, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque euh, qui brûle. On avait, j'ai lu dans le journal Le Sahel un témoignage de Koudizé, euh, un ancien aussi, qui a été président du, de l'ONC à l'époque, je crois, et qui parlait de lui, des messieurs humbles, qui malheureusement n'avait pas écrit pour laisser des traces. Mais moi, je me rappelle bien quand on était tout petit, quand j'étais à Zender, on le voyait à la télévision nationale déjà à l'époque, c'est dans les années 80, euh, je pense bien. Et on ne savait pas ce que c'était à l'époque, jusqu'à ce qu'on soit ou qu'on devienne journaliste. Moi, je ne l'ai pas côtoyé personnellement parce que ce n'est pas ma génération. Ça peut être un grand-père pour moi, si je peux le dire, mais quand même, on les a vus de loin. Je pense que c'est une grosse perte euh, pour lui. On aurait pu, comme l'a dit Armi, immortaliser, l'immortaliser avant même qu'il ne soit mort. J'ai en mémoire aussi récemment quelqu'un qui disait de faire un documentaire sur AlphaGa, par exemple. Les gens disent non, ce n'est pas le moment. Je pense que c'est pour ce genre de choses qu'il faut faire euh, des documentaires qu'il faut écrire sur ces gens pour que ceux qui viennent après, puisque aujourd'hui s'il n'y a pas des écrits, s'il n'y a pas de documentaires, les gens vont, euh, la génération qui va venir ne saura pas qui est Hima euh, Adamou. Didamadama. Il a fait un homme de théâtre, un homme de culture, un homme de, euh, de littérature, un homme mm, de médias. Bref, c'est un personnage global, si on peut le dire. Et on ne peut que le souhaiter que dire euh, repos à son âme et que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Voilà, le deuxième sujet du forum de la presse de ce vendredi porte sur la déclaration lundi de l'opposition politique nigérienne regroupée au sein du Front pour la restauration de la démocratie et de la défense de la République FRDDR. À travers cette déclaration, les opposants accusent le président de la République, Issoufou Mahamadou, de haute trahison pour n'avoir pas organisé les élections législatives partielles dans la région du Maradi conformément à la loi fondamentale. Gafar Maman du journal Indépendant Plus, les arguments de l'opposition politique nigérienne sont-ils convaincants Convaincants, euh, ça c'est peut-être aux juristes de le dire, mais ils sont partis d'un fait il y a une date butoir, elle n'a pas été respectée. Euh, la, partie gouvernementale a donné des arguments euh, sur euh, la faiblesse des textes. je pense qu'un texte qui a été déjà amélioré, envoyé à la Cour, à l'Assemblée nationale, après la, Cour constitutionnelle a renvoyé le document pour relecture, pour, parce qu'il y a des insuffisances dans tout, tout cet aspect, je pense que c'est bien euh, la quintessence de la déclaration de l'opposition, c'est de ramener un débat juridique outre que les querelles politiciennes qu'on a l'habitude d'entendre sur des sujets pas plus ou moins, pas du tout importants. Mais cette question euh, qui invite à un débat, elle a toute sa valeur, elle, a, elle est pédagogique puisqu'elle permet au moins aux Nigériens, à travers euh, la déclaration, la réaction de l'opposition, les Nigériens euh, sont invités à, à, s'intéresser à cette question et à savoir que disent nos textes, puisque c'est ça toute la difficulté. On a des textes qui sont méconnus même par des, acteurs clés de la gouvernance, même par ceux qui sont au pouvoir et ceux qui, euh, qui sont à la conquête du pouvoir. C'est des débats intéressants que j'admire beaucoup lorsqu'on euh, pose le débat sur les questions des textes de la loi fondamentale. Reste maintenant de voir la réaction du gouvernement avec euh, et des juristes pour euh, aller en profondeur et savoir où est-ce qu'on en est. Puisque la difficulté qu'il y a de par cette déclaration, c'est d'aller au fond. Qui doit retourner vers la Cour constitutionnelle pour savoir, pour l'amener à se prononcer sur le manquement constaté s'il y, a y haute trahison. À ce stade, je pense que le débat encore euh, reste euh, primaire et il est, il est, important que ce débat-là soit conduit avec assez de, de rigueur puisqu'on a un précédent au Niger où euh, euh lorsqu'il s'est agi pendant la Ve République, euh, euh, au président Tanja d'aller de, d'aller outre son mandat et de chercher un bonus, communément appelé les Tazarchi, On sait ce que ça a donné, c'est parti des débats, euh, c'est une interprétation et euh, on a vu le pavé que ça a jeté dans, dans, dans l'arène politique et aujourd'hui, je pense que ce débat-là, on devrait avoir euh, toute la leçon tirée de, de, de et de pouvoir encadrer euh, l'application des textes au Niger. c'est ce débat-là, moi je pense qu'il faut l'extraire de toute, euh, euh, de toute sensibilité politicienne qui consiste à, à ne voir que euh, de la de la position de, l'opposition négative. Et il s'agit de poser le débat maintenant. C'est un débat qui, qui devrait être approprié par le par les, les juristes par les conscientistes et par la société civile pour voir clair. C'est ça l'importance des débats du sujet. Euh, pour le camp au pouvoir, l'opposition nigérienne n'a pas raison. Euh, qu'en dites-vous Moi, je pense, euh, avant de, <clears throat> rentrer en profondeur dans, ce, dans cette question ou dans ce sujet, et je pense qu'il faut, de la même façon qu'on fait une enquête de moralité avant de nommer des gens, de la même façon qu'un candidat à la présidentielle est obligé de faire des, bilans sanitaires très poussés par des, des médecins assermentés, qu'on fasse la même chose avec les candidats à la députation euh, ou autres, puisque selon les informations qu'on avait eues, le suppliant du député en question qui avait euh, démissionné à l'époque était selon les informations, était condamné parce qu'il était gravement malade et il a été malgré tout et suppliant du, député en question. Et connaissant, sachant cela aussi, qu'il avait démissionné ou qu'il avait quitté son poste de député pour prétendre à un autre poste du, directeur général. Donc, je pense que si on avait déjà euh, prévu des mécanismes, on ne serait pas euh, à ce stade. Maintenant qu'on y est, moi, je pense que aller juste parce qu'il n'y a pas eu une élection d'un député d'une circonscription donnée, qu'on parle de haute trahison, je pense qu'on eh, a poussé eh, les mots très loin. C'est vrai que la Cour constitutionnelle a fixé un délai de deux mois pour organiser des élections, ça n'a pas été respecté. Et on en a vu plusieurs cas au Niger et partout. D'ailleurs, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire C'est là où la question doit être posée. De la même façon que la même opposition, à un moment, avait dit non, organiser des élections à 2 milliards pour un seul député. C'est énorme, il ne faut pas le faire. Cette opposition encore qui vient encore pour dire on n'a pas fait les élections, il fallait les faire. Vous voyez, c'est comme si tu vomis et tu et, et, ravales euh, ton vomi, comme on dit. Je pense qu'il faut, euh, et, du côté du pouvoir et du côté de l'opposition, avoir les stratégies euh, de lutte. J'ai comme l'impression que quelque part, la, majorité au pouvoir profite de la faiblesse de l'opposition qui est effacée pour faire ce qu'elle veut. En fin de compte, il y a tout ce branle-bas qui est là, on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire, quand est-ce qu'il faut le faire et comment le faire. Bref, on est dans une sorte de, cacophonie eh, indescriptible dans, dans, laquelle seul le peuple en Aujourd'hui, on est dans une assemblée qui a déjà plus d'un an, je crois dans laquelle il y a 170 députés au lieu de 171. Qu'est-ce qu'il faut faire C'est vrai, c'est un débat juridique, mais il faut faire les élections. Quand, à quel moment, comment Voilà la question qui se pose. Mais je pense que dans tous les cas, il faut que les textes qui ont été eh, élaborés, qui ont été adoptés, ou les lois qui ont été eh, émises par les plus hautes juridictions nationales soient respectées par les tenants du pouvoir qui sont censés... Eh, ne et pas les ignorer pas, les yeux, il faut les respecter. Parce que là, on, est dans, dans, quoi Dans, dans un. c'est pas un vide pas, juridique, ça. On est dans une, violation, des, textes, Mais est-ce que c'est une autre trahison Là, <laughs> le débat se pose. Arimi Abakari de la radio alternative, quel est votre avis sur cette affaire qui reste une patate chaude puisqu'on parle de violation de la Constitution Écoute, euh, suite aux, deux interventions, euh, quel est euh, le moyen pour l'opposition de faire avaler cette couleuvre Parce que on se connaît, on a affaire à une opposition manifestement très faible qui n'arrive pas à faire s'entendre, à, faire entendre ni par euh, la population ni par son vis-à-vis le pouvoir en place. Euh, ils auront beau crier, moi j'ai pari que euh, c'est vraiment euh, euh, quoi, c'est une goutte d'eau dans la mare quoi. mais aussi, il faut qu'on se pose des questions en faisant nos textes. Sincèrement, il y a, Rufai l'a dit, 170 députés. Euh, bon, moi je ne vois pas les 169 qu'il y a actuellement, ce qu'ils apportent d'exceptionnel à notre démocratie. C'était 171. Hein, oui, ben, 170 restants du moins, qu'est-ce qu'ils apportent euh, euh mettre... J'étais plus d'accord avec l'opposition quand ils disaient que 2 milliards pour élire un député, c'est pas important, euh, que quand ils disent que c'est une haute trahison, sincèrement quoi. Euh, maintenant, euh, à nous, vraiment aux Nigériens, de voir dans de tels cas qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est vraiment d'imaginer que, bon, jusqu'à la prochaine législature, il n'y aura pas de remplacement parce que c'est si cher pour notre pays qui a besoin de tant de moyens. Les élus municipaux, les élus locaux, ça fait combien de temps Il n'y en a pas. Euh, ça n'a pas fait bouger quoi que ce soit. Ils ont, voilà, voilà. Donc, c'est des, c'est vrai. La démocratie, c'est des règles. Euh, mais on sait aussi que la démocratie même, c'est une question de rapport de force. Je crois que les rapports de force ne sont pas en faveur de notre opposition qui ne peut pas faire passer ça en aucun cas. Entre autres sujets traités au cours de la semaine, c'est la célébration samedi 29 juillet du 26e anniversaire de la conférence nationale euh, souveraine. Abakari Arimi de la radio alternative, 26 ans après la conférence, qu'est-ce qui a marché concrètement Écoutez, euh, la démocratie dont on parlait tantôt, ça a été vraiment le fruit, je dirais, euh, des luttes qui ont précédé cette conférence nationale-là, mais aussi balisée par cette conférence nationale. Euh, Est-ce que, euh, vu l'attente qu'on a fondée, parce que vraiment, réellement, la rue, réellement, la population avait pris le pouvoir un moment dans notre pays, euh, mais la conférence nationale, à mon avis, a raté le tact dès euh, avant de sortir de la salle du palais des sports de, à l'époque. Euh, la démocratie telle que plantée en 25 ans, on ne saurait dire que c'est le résultat. Actuellement, c'est tel que voulu par la conférence euh, nationale, mais la conférence nationale, au finish, avait déjà été récupérée par les forces que nous, à l'époque étudiants, on appelait euh, rétrogrades. Euh, mais qui ces forces-là se sont, euh, sont revenues en force. Euh, suite à plusieurs coups d'État que nous, nous, savons, suite à des alliances que d'aucuns a qualifiées à l'époque de contre-nature et qui se poursuivent actuellement. Et euh, aujourd'hui, on n'a plus euh, de, conviction politique, euh, on dirait. Ce n'est pas un programme qui amène à qui que ce soit à s'allier avec euh, les autres. L'esprit de la conférence nationale n'y est plus. Rufai Dandoua, journaliste indépendant, quels sont les aspects significatifs constatés en 26 ans de chemin parcouru au, fait, je, crois qu'on s'était vu trop beau à la, au lendemain de la conférence nationale. On pensait que eh, on a chassé un régime dit militaire, puisque c'était le régime de la décrispation, quoi qu'on dise à l'époque. Si peut-être vous n'avez pas voulu aussi, il y aurait eu bien de sang. Mais il y avait la, la, la, conférence nationale souveraine. On était sorti, comme l'a dit Arimi, et dès le moment où il y avait cette conférence, on avait biaisé beaucoup beaucoup de choses que déjà les jalons euh, d'une ratée étaient, posés. Aujourd'hui, je crois que la mort de l'âme, on peut donner raison à Chirac qui disait à l'époque que eh, les Africains n'étaient pas un mur pour la démocratie, puisque au lieu d'avoir eh, la liberté, on a eu du libertisme tout le monde s'était levé pensant que ah on a la démocratie, on a la liberté de parole, on a la liberté d'expression. Je vais dire ce que je veux, je vais insulter qui je veux sur telle radio, sur telle télévision, dans tel journal, je vais écrire qui je veux jusqu'à ce qu'aujourd'hui on insulte le parent de X, on insulte la mère de Y. Ce n'est plus de la liberté ça en plus, au lieu que ça serve de développement au Niger, ça a servi euh, au, contraire au Niger de, régresser lamentablement. Je pense que les acteurs post-conférence nationale ont échoué eux-mêmes après et euh, pendant toutes ces années. La preuve, la le 29 juillet passé, ça a passé presque inaperçu. Les gens ne savaient même plus s'il y avait eu conférence nationale ou pas à cette date. Qu'est-ce qui reste de la conférence nationale en dehors du, régime euh, civil Il ne reste que le palais du 29 juillet. Malheureusement, il ne reste que ça. À un moment, on avait changé de nom, on a, on mis bah, Palais des Sports, on s'est dit non, il faut revenir, il faut remettre le nom Palais du 29 juillet. vous demandez aujourd'hui, retournez à l'école, demandez aux enfants. Je crois que c'est le travail qu'on doit faire. Vous demandez aux enfants c'est quoi le 29 juillet. Beaucoup ne sauront vous le dire ce que ça signifie. Je pense que déjà, comme je le disais, on a raté la base. Pendant la conférence nationale, après la conférence nationale, au lieu que ça serve de, de, leçon, au lieu que ça, ça serve de, de, tremplin ou de levier pour se développer, les gens se sont enrichis au contraire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit La démocratie a permis plus à enrichir une certaine catégorie de la population qui nargue le peuple et qui, aujourd'hui, regardez, aujourd'hui, euh, les gens ne, euh, n'y a même pas l'école, les gens ne partent pas à l'école, il n'y a pas d'éducation. Or, qui dit démocratie dit quelque chose un peu dans la tête pour permettre aux gens de voir clair, de comprendre certaines choses. Aujourd'hui, personne ne comprend rien. C'est pour cela, sa région, ce qu'on disait tout à l'heure, la majorité qui, écrase euh, l'opposition sans âme et conséquence, c'est le peuple qui en empathie. D'une euh, célébration à une autre, notons celle du 57e anniversaire de l'indépendance euh, du Niger, couplée à la 42e édition de la fête de l'arbre célébrée hier à Dosso. Maman Jafar, selon vous, quelle est la particularité de l'édition 2017 euh, dans son organisation comparativement au précédentes, 3 août Bon, eh, je pense qu'en dehors de sa délocalisation, <laughs> euh, il n'y a pas une grande différence. Peut-être on constate avec le recul que euh, cette célébration a perdu de toute sa saveur. Je me rappelle, euh, encore jeune, nous, planté des fils d'instituteurs. Je sais qu'on a des, plantes d'arbres de, à, à, planter le 3 août. Et peut-être avant, toute la semaine, dans les écoles, toute la semaine. Avant, il y avait des concours autour des écoles, même des écoles buissonnières, pour primer le, euh, les responsables d'écoles qui ont euh, qui ont planté des arbres et qui, qui, ont réussi à entretenir un environnement vert. Aujourd'hui, il n'y a pas cet environnement. Même la, la, la ceinture verte que euh, certains bailleurs nous ont dotés, elle est en train de disparaître, elle est morcelée et vendue. Ça veut dire que euh, je, me demande euh, de, de, tout ce temps, on aurait dû s'arrêter et faire un petit bilan. Les arbres qu'on a plantés, euh, quelle est leur importance Ils sont à quel niveau On est censé avoir quel type d'environnement avec euh, euh, cette action-là étalée sur plusieurs annuellement. Mais aujourd'hui, on constate que euh, en dehors du discours présidentiel de deux du message à la nation, pratiquement la, la, fête du 3 août a perdu sa saveur du point de vue environnemental. Alors que c'est aujourd'hui que le défi environnemental se pose. Je pense qu'il faut, il faut vraiment repenser je vois qu'à partir de cette année, elle prend une tour une tournure événementielle au lieu qu'elle soit, euh, qu'on mette l'accent sur, euh, sur l'environnement. On met l'accent sur les festivités lorsqu'on délocalise sur le folklore, alors que euh, vraiment, c'est une sorte de recul, comme d'ailleurs euh, le premier sujet que vous avez évoqué. Euh, il y a vraiment du recul. en, parlant d'environnement, lors du message à la nation du président de la République, il y avait des arbres derrière lui, je ne sais pas, c'est une innovation du, de l'ORTN. Vous vous rappelez, il y avait des grillages de, chaque président. Le président partait dans tel ou tel quartier à Niamey pour planter un arbre avec. Et on dit grillage à Lichébou, grillage à Ousmane, grillage Inter. Aujourd'hui, toutes, toutes ces grillages qui jadis étaient, sont transformés en marché. Donc il n'y a, plus rien, même environnement. Pour rappel, c'était autant de contiers qu'on a dit pour euh, éradiquer l'avancée du, désert, il faut planter des arbres. Aujourd'hui, euh, je crois qu'on est en train de se perdre. on ne connaît même pas d'où on vient, malheureusement. Mm-hmm. Parlons, à présent d'autres choses. Parlons à présent des Jeux de la francophonie qui ont pris fin dimanche dans la capitale ivoirienne. Notre pays, le Niger, a pris part à ces Jeux à travers euh, plusieurs disciplines. Rufai Dandoa euh, si, si, on vous demandait de faire un bilan de participation du Niger à ces Jeux, euh, que direz-vous Je pense qu'il faut arrêter de participer à ce genre de Jeux où on se ridiculise pour rien. L'exemple c'est les basketteuses, les basketteuses qui étaient parties à la dernière minute. Juste par orgueil, on a accepté d'aller et on est arrivé 11e sur les 16. On n'avait plus, on avait plus de déculottés face à des, des nations. Euh, même si c'est pas comparable, on ne devrait pas aller. Pourquoi on part Juste par orgueil. On prend toute une délégation avec des gens qui sont autour, juste pour bouffer de l'argent, et on part avec un bilan qui est toujours négatif. On a 6 à 8 médailles, je crois, aucune médaille d'or. Vous voyez, même la, lutte euh, la littérature euh, de Mokhtar, euh, je Crois, euh, oui, et on, le félicite, mais je pense qu'il faut limiter, il faut mettre l'accent sur la qualité que la quantité. S'il faut amener 10 athlètes, toutes compétitions confondues, il faut le faire et arrêter de se faire ridiculiser. Aujourd'hui, je suis d'accord qu'on investisse par exemple un milliard sur AlphaGa que d'investir 200 eh, millions sur toute cette délégation qui part et ridiculiser eh, la nation tout entière. Abakari Arimi de la radio alternative, comment avez-vous vécu les performances des représentants du Niger Écoute, euh, avant d'en venir, euh, c'est vraiment, nous avons des problèmes dans ce pays avec la place qu'on accorde au sport et à la culture qui sont censés être la vitrine pour un pays. Euh, je le dis parce que pour aller à ces Jeux de la francophonie, il n'y a eu aucune préparation. Certes, il y a eu des éliminatoires en culture il y a un an, mais même ceux qui sont sélectionnés, il y en a qui n'ont pas été, qui n'ont pas effectué le déplacement parce qu'on s'était dit qu'ils n'ont pas le niveau mais le niveau, la sélection, ont fait pour rehausser, pour faire un renforcement de capacités. Ils n'ont pas été. Ceux qui ont été, c'est surtout les sportifs et certains culturels, mais qui n'ont jamais été préparés à aller à une telle compétition. Mais on se demande qu'est-ce qu'on veut dans ce pays, parce que les Jeux de la francophonie sont censés être une priorité pour le Niger en tant que pays membre fondateur, mais aussi organisé les pays organisateur de ce cinquième jeu de la des cinquièmes jeux de la francophonie. Mais euh, on dirait qu'il y a un coup fourré derrière tout ça où on attend la dernière minute, on, on prend tout l'argent destiné à la participation, on va, on bazarte et on vient on ne se soucie pas du dommage qu'on cause à l'image d'un pays, à l'image de tout un peuple, à la, pression que on exerce désormais sur une jeunesse qui n'a plus confiance en elle, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Il ne faut pas que, il faut, pas se leurrer, hein. parce que les jeux sont internationaux. On suit ça de par le monde entier. Le Nigérien qui suit, donc qui n'entendra jamais chanter son hymne national, va se remettre en cause. On est dernier au plan économique, au plan sanitaire, mais on est dernier tout court. C'est ça qu'on va se dire. Donc moi, le sentiment que j'ai vécu, euh, je ne me trompe pas en ce qui concerne le sport et la culture euh, pour lequel malheureusement je me bats matin, midi et soir, mais euh, malheureusement on n'accorde aucune importance. Mais j'entendais sincèrement le président de la République parler du jeune René qui a eu la médaille d'or, mais si on veut parler de ces choses-là, il y a un prix à ça. Et moi, je suis les, pays de la, de, francophonie, 90% c'est des pays du tiers-monde, n'est-ce pas, qui font et qui ont, qui font une, une représentation honorable. Qu'est-ce qui peut empêcher ça au Niger Sincèrement, il faut qu'on se remette euh, en cause. Si on ne veut pas faire on met ça de côté, on fait autre chose. Mais vraiment, ce n'est pas de nature à arranger quoi que ce soit pour le pays. Avait, refusé de partir depuis l'aéroport parce que, disait-il, euh, on leur a donné des, petites enveloppes. Ils ont refusé. Il y a beaucoup qui avaient refusé euh, d'aller. Je pense que le sport, il faut, le prioriser. Aujourd'hui, vous voyez Neymar qui part de Barcelone à Paris à 220 millions Millions d'euros, c'est un événement. Aujourd'hui, le sport dépasse la diplomatie dans le monde. Jeff eh, Gafar ici à, Dosso, hier 3 euh, août, c'est le Sahel Sporting Club euh, de Niamey qui a remporté la Coupe nationale de football face à l'AS Sonidep. Euh, comment vous appréciez cette victoire des Verts du Nouveau Marché il faut dire que le Sahel, là aussi, ce qu'on peut déplorer, c'est qu'il n'y a pas assez d'activisme, il n'y a pas assez d'investissement. puisque quand on regarde ce, ce connu, si ce n'est pas le Sahel, c'est peut-être le club ici de, des institutions étatiques comme la douane qui, qui a... Oui, alors qu'on sait qu'il fut un moment au Niger où euh, je pense qu'il faut d'abord saluer le, le, le, fort et le courage des dirigeants du Sahel qui ont réussi à maintenir le Sahel à ses stades. Le Sahel a plus de... Le seul de, de la vieille garde hein, mm-hmm. euh, qui résiste encore. Donc c'est vraiment une prouesse de ces dirigeants. Au moins, les premiers dirigeants ont laissé quelque chose pour euh, ceux qui ont pris la relève. Mais il faut déplorer là aussi le fait que pratiquement aujourd'hui, on n'a que euh, en dehors du Sahel, on n'a pas plus de trois clubs qui, qui gravitent autour de cette coupe-là. Alors quand on prend, il y a de cela 10 ans, 20 ans, euh, chaque région, chaque région est capable de remporter la coupe nationale. Et aujourd'hui, vraiment, c'est déplorable. Cet effort-là devrait être euh, fait pour créer les conditions de, de, de, la relève au niveau du, du football. Je pense que euh, a l'a dit, aujourd'hui le, football dépasse la diplomatie. Vous prenez le, rien que le transfert de Neymar fait gagner à l'État français 300 millions d'euros. Alors que si aujourd'hui on, a, on <laughs> investit un tout petit peu, justement, ça veut dire qu'il n'y a pas de, de tout est prioritaire. Hein. tout est prioritaire. Le sport, dans un État, c'est une priorité. La culture, c'est une priorité puisque chacun a sa part de contribution dans le développement. Rufai Dandoua, euh, pas par rapport à, à cette coupe, euh, coupe, nationale, mais euh, toujours en football, avant la Coupe nationale, il y a eu le championnat en Ligue 2 remporté par Tawa. Dans quelles conditions s'est déroulé ce championnat Vous savez, le sport, on, on, est obligé de faire le parallèle. Hein. quand vous voyez le Sahel qui, qui, gagne la Coupe nationale, qui a 4, millions de francs. Oui, c'est la même chose, 4 hein. millions seulement de francs pas le vainqueur de la la lutte, un seul à 10 millions, je pense qu'il faut euh, savoir euh, euh, qu'est-ce qui est prioritaire. de la même façon, le Tawa qui a gagné c'est pour peut-être retourner encore en deuxième division l'année prochaine. Aujourd'hui, le football nigérien, ce sont les, associations et sportives des forces de défense et de sécurité. En dehors d'elles, aucun club ne peut rester, sauf le Sahel et peut-être les deux clubs de, de Arlit, Akokana et Urana. Sinon, aujourd'hui, Zender, n'y a rien, Maradi, n'y a rien, Tawa, Difa, n'y a rien, Tilaberi, n'y a rien, Dosso, n'y a rien. Le football, c'est seulement à Et les cinq premiers du championnat national de première division, ce sont les clubs de forces de défense et de sécurité. Je pense qu'il faut eh, s'arrêter et, se dire qu'est-ce qu'on veut, où on veut aller et, refonder eh, la politique sportive au Niger tout entière, pas seulement au football, mais le sport nigérien dans son ensemble. Arimi Abakari de la radio alternative. Pour conclure, euh, dites-nous comment se porte le championnat nigérien de football. <laughs> Avance-t-il ben, Écoutez, euh, moi, à mon avis, c'est grave. Là, là, le vainqueur de la Coupe nationale a reçu 4 millions. 4 millions. Euh, et pour parler vraiment du, manque d'ambition des Nigériens, lors des élections, un des candidats avait proposé euh, vouloir donner 5 millions par an par club de deuxième division, 10 millions par club de première division, c'était un scandale général, et les gens ont dit que c'était utopique. Autrement dit, euh, nous sommes rendus à un niveau où nous n'avons plus confiance en nous, où on pense que 10 millions dans le football aujourd'hui, c'est de l'argent c'est, sincèrement, donc le championnat national est vraiment au plus bas de son niveau, à mon avis, depuis 30 ans. Et ce qui fait que nous n'avons pas d'équipe nationale forte, parce que la force du MENA, c'est toujours les championnats nationaux. Quand le championnat national ne, va pas, ça se reflète sur le MENA. Le MENA va jouer le 18 prochain contre la Côte d'Ivoire en version locale. C'est ce qu'on va voir. Malheureusement, euh, il manque d'ambition, il manque de réflexion autour et de vision tout simplement autour du championnat national. À mon avis, la fédération doit remettre la balle à terre pour se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que le football ne se joue pas dans tout le pays, parce qu'il y a des talents qui sont étouffés et qu'on ne voit jamais, puisqu'ils ne sont pas concernés par ce championnat-là, nous devons repenser notre championnat national. Sinon, ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment du faire valoir, tout simplement, c'est rien d'autre. Euh, rapidement, 15 euh, euh, secondes. C'est pour dire qu'aujourd'hui, en lien avec le message à la nation du président de la République, le sport et la culture est une nécessité diplomatique, puisque lui-même, il se base sur ça pour chanter la fierté nationale. voilà. le symbole. Voilà, nous sommes au terme euh, du forum euh, de la presse de ce vendredi 4 août 2017. Euh, nous étions avec Abakari Arimi, journaliste à la radio alternative. Nous étions également avec Rufai Dandoua, journaliste indépendant, et Jafar Maman, directeur de publication du journal L'Indépendant Plus. Merci à vous tous de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Prochain rendez-vous lundi à partir de 18h15 avec Michel Degui, soit Yaji et Umoru Hadari pour parler des festivals culturels du Niger, notamment du festival de la jeunesse qui a malheureusement disparu. Merci et au revoir.